Cet artiste répond au nom de Nick on the beat, Dondi la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission, mon frère. Yo, it's Nicky on the beat. They call me like that cause I make hits. You better listen to me, take your hits. Cause I'm story with Dondi Hey, hey, boy, attends, <laughs> moi, moi, je reçois un beatmaker sur l'émission. Tu viens de rappeler là ah Ben oui, euh, ça m'a inspiré le beat, donc du coup, euh, je me suis lancé. ah bah, tu sais aussi le faire ben ouais. Ah, pour faire du beatmaking, il faut forcément aussi savoir chanter ou c'est quoi le truc euh, Ben, c'est toujours bien quand tu sais faire du beatmaking et que tu sais chanter. Hein. Ah waouh. Bah ouais. Qui est Nicky Larson ah, Nicky Larson, c'est un jeune homme euh, qui est né en 1985 en République démocratique du Congo, euh, donc toujours en Afrique, qui a été bercé dans plusieurs cultures musicales, la musique congolaise, la musique euh, africaine en général. Voilà, et qui après s'est retrouvé à Cotonou avec ses parents, qui a fait l'école normalement. Voilà, qui a ses diplômes <laughs> universitaires. L'idée de composer euh, tout bien euh, crois qu'il faut dire que c'est dans le sang. C'est dans le sang C'est dans le sang. Papa est musicien. Il est musicien, ah ouais. papa est musicien. J'ai commencé à faire les studios depuis l'âge de 5 ans. Ok Voilà, donc euh, du <laughs> coup. Ah il faut dire que le germe était là, quoi. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, du coup, à l'âge de 5 ans, tu as commencé la chose Oui, 5 ans déjà, j'avais commencé les studios et tout. Et puis, euh, il faut dire qu'à cet âge, je me suis familiarisé à beaucoup d'artistes, beaucoup d'instruments avec l'art en, en, général. Ok. Et surtout la, la musique. Et tout s'est déclenché de là. Hein. Super. Nicky Larson. Pourquoi Nicky Larson Bon, Nicky Larson, euh, parce que j'aime beaucoup les mangas. Donc j'aimais beaucoup City Hunter. Euh, l'acteur, c'est Nicky Larson. Ah, Nicky Larson, ouais. Pas pour son côté pervers, mais juste parce qu'au fait, il prenait toujours tout à la, dans la rigolade il arrivait à accomplir ses missions. Donc euh, je me dis, rien n'est compliqué. Il faut juste relativiser. Donc, en un mot, Nicky Larson, c'est un nom que tu t'es donné c'est un nom que je me suis donné, que beaucoup de personnes m'ont donné aussi. À ah, l'école, comment est-ce qu'on t'appelle alors Non, on m'appelle Yannick Tchaou. À partir déjà de Yannick, en principe, il y a Nick qui est dedans. Nick Ok, donc, du euh, Nick diminutif. Après, euh, Nicky Larson. Nicky Larson, et tu es fan de Nicky Larson. Donc ça donne le Nicky Larson, Nick on the beat. Effectivement, bien Parle-moi un peu de tes relations avec euh, les artistes nigériens. Ah, ben de très très belles relations. Ok. Très très belles relations parce que depuis, j'ai enchaîné la collaboration avec plein de personnes. avec, je travaille beaucoup avec Safia, je travaille avec. Euh, tous les artistes de hard Ok. Je travaille avec MDM. Euh, ok. Je travaille avec euh, Abdel, Abdel, Zamani. Ils sont nombreux. Donc tu es en bonne relation avec eux. on va plus décortiquer ça parce qu'on va parler de tes œuvres artistiques dans un deuxième On va donc parler de tout ce que tu as eu à faire avec les artistes nigériens. Mhm. Alors Niki Larson, nous sommes à la fin. Et cet instant est tout simplement solennel. On t'accorde une minute de temps d'antenne pour te permettre en tout cas de placer des mots qui viennent au fond de toi pour qu'on puisse ensemble changer les choses. Alors on dit souvent que c'est les jeunes Africains qui sont l'avenir, mhm. et c'est vrai, mais euh, l'avenir ça se prépare, l'avenir ça se travaille, rien n'est donné, il faut tout aller chercher, et euh, je, suis, je fais partie de ces jeunes-là qui croient fermement qu'on a beaucoup de choses à proposer, on a une richesse incroyable et que ne euh, on va on va pas attendre qu'on fasse tout pour nous. Il faut qu'on se lève et qu'on commence déjà à faire les choses. Et il y a trop de potentiel au Niger pour qu'on puisse dormir sur nos lauriers. Donc il faut qu'on se lève maintenant. Et euh, je souhaite bon courage à tous les jeunes qui osent, hein, qui entreprennent des choses. Voilà. Osons, rêver. Il réalisera le rêve en musique, <laughs> mesdames et messieurs. Inch'Allah. C'était donc euh, Nicky Larson. La première partie. Rendez-vous dans deux heures. Demain, même heure, même fréquence. Et...